Radio à Dakar. Salut, c'est Pril Four. Retrouvez-moi sur euh, Vibe TV. Bon, je suis dans mon coin, moi. Je fais, moi, je me dis que c'est comme si euh, moi j'étais le seul rappeur au Sénégal. Parce que je fais ce que je fais, je fais la course avec personne, donc je fais la course avec moi-même. Donc du coup, euh, je les écoute. Par contre, ils font de très très belles choses. Et Omjo Dala, il est, il est un gars très ouvert. Il m'a appelé l'autre fois avec euh, Barao, il a apprécié ce que je faisais, donc c'est un gars très humble. Donc ça n'existe ça rarement au Sénégal, un artiste qui appelle un autre artiste pour lui dire que j'apprécie ce que tu fais, tu fais de la belle musique, il faut continuer comme ça, un artiste qui t'encourage. Vraiment, j'ai adoré ça et je l'encourage euh, beaucoup aussi. Hein. Arlo Big Paradise on travaillé ensemble. Avant, c'est moi qui étais leur technicien ensemble, mais maintenant ils sont dans d'autres labels et ils travaillent et ils évoluent euh, aussi. je les souhaite le meilleur. Bon, on s'entend plus, hein, on s'entend plus sincèrement, mais bon, ça fait rien. Bon, ils, ont, ils, ils font de belles choses. Je fais ma, je fais ma musique à, à, à part, donc euh, amul problème quoi. évoluer man limay def mo ngi avancer lui avons def mo ngi avancer c'est les pap qui gagne, donc euh, amul amul problème quoi. gis na nak ay nit quoi yu def ay affaire di wax prix wax na fi mo def ni mo len def li loolu amul quoi parce que tay man je suis un technicien en son man technicien en son là ma ngi liggéey ak Abdou Guité Seck Abdou Guité sek ñep xam nañ ni musique Sénégal yóbbu nako fu nek mais même Abdou Guité buy enregistré day def ben affaire ma ko li soo ko defee nii day gëna nice bo li boo ko ni dina gëna nice parce que man technicien la lolu amna droit wax ko ku nek donc dans une interview waxna lolu am ñu né man ma wax ma def li te amul quoi gars yi ay diffamation la def en tout cas mën na né man aw ben xulawuma xexuma artiste yëpp jàmm ni donc limay def moo ngi avancé ñoom tamit limay ñep li ñuy def mag leen di ñaanal euh, li ñuy def di gën évoluer quoi sincèrement. Ngaka Blindé, moi, je lui soutiens, je suis de tout cœur avec lui. Et que ce qu'il arrive, ça pouvait m'arriver moi aussi. Euh, donc, du coup, euh, je me mets à sa place. Et euh, je me dis que tout le mouvement hip-hop devrait se mobiliser et être derrière lui, tout faire pour qu'il pour qu'il sorte de là où il est et rejoigne sa, famille. Et moi, j'ai commencé ce combat. Déjà, j'ai partagé des images sur euh, ma page Facebook et Instagram pour, euh, pour, dire que nous, nous, le soutenons. Et bientôt, moi et mon staff Classic Music, on va, on va tout faire pour aller le rendre visite. Inch'Allah. Euh, je suis hip-hopper. Moi, j'ai commencé le rap depuis 2003 et ma carrière solo en 2010. Donc j'ai sorti trois projets, euh, Rapéritif, Analysique et Confirmation et tous mes projets donc, euh, faisaient partie des awards de, hip-hop. Ça veut dire euh, j'ai sorti les meilleurs projets de, l'histoire du hip-hop Galsen. Donc euh, je me sens concerné et tu sais, mais comme Brill, je suis tout le temps dans mon label de musique, classique Music et que je fais euh, ma musique à part, je j'attends personne sur ce que je fais. Donc si les gens ils m'appellent euh, euh, pour que je sois à part des 30 ans du hip-hop, je suis là, je suis libre et je participerai. Je trouve que hum, c'est de l'évolution. Parce qu'avant, je faisais du rap que du rap. Et depuis que j'ai commencé à chanter, j'ai vu que les gens, ils euh, préfèrent. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent quand je chante. Donc, et comme je suis euh, polyvalent et je ne suis pas un artiste euh, limité, je ne me dis pas que je dois faire ça seulement et que, ou bien faire ce que les, gens ils veulent que que, que, je fasse. Hum, de toute façon, je fais ce que je sens ce que je peux, ce que j'ai en moi, tu vois. Donc l'ol dégage, est Donc du coup après, je vois que quand je fais euh, hmm, ce que j'aime faire, c'est le mini de Guénéens de gonna, des like les et que j'ai beaucoup plus de fans et tout. Et que, comme je suis, comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas limité. Alors, euh, je préfère faire les deux, être polyvalent, faire du rap et chanter en même temps. je suis le musicien de Marodi TV. J'ai un contrat avec Marodi et je travaille sur euh, la composition des musiques de film. Euh, c'est moi qui, ai fait euh, toute la musique de Paul et Marichou. les génériques, les fonds sonores et tout ça, les bruitages, c'est moi qui ai tout composé. En même temps, je suis aussi le musicien de Nafi, le, la nouvelle série de Marodi. Donc du coup, comme je suis dans l'équipe, donc c'est ça quoi, on est ensemble, on est des potes, on travaille ensemble le titre de Summer Life, euh, euh, c'est Mas qui m'a donné. Mas, c'est le directeur de Marodi TV. Parce qu'ils avaient, euh, dans un épisode où il y avait, il y un mariage, mariage de sœur et de sa femme. Et il appelait sa femme Summer Life. Donc, du coup, on devait faire un son qui va accompagner le mariage. Et le son devrait avoir comme titre Summer Life. Donc c'est par là que j'ai composé le son, j'ai écrit en me mettant dans la peau de l'acteur pour écrire ce qu'il ce ce qu'il va sentir, ce qu'il ce aimerait dire à sa femme et tout ça Bien sûr, euh, récemment j'ai fait un, featuring avec euh, euh c'est un groupe d'arabes euh, de la nouvelle génération qui vient de Yembol et je suis leur producteur. Euh, je, fais un featuring avec eux sur leur album Nyamoubot et le son s'appelle Nyarunop et là-bas je fais un couplet de rap les gens peuvent l'écouter. Tu vois, et bientôt euh, la vidéo va sortir. Inch'Allah. Non, j'ai pas arrêté de rapper quoi. Moi, je dis souvent que les gens qui pensent que j'ai arrêté de rapper, ils doivent entrer dans leur tête et faire un contrôle plus Z. 102.3, le nouveau son.